Chronique People. équipe matinale et bienvenue dans votre revue de Presse People. Idriss Diop, je cite, les Africains ne doivent plus laisser les gens décider pour eux. Le comeback d'Idriss Diop, près d'une dizaine d'années sans sortie mondiale, l'auteur-compositeur sénégalais fait son retour sur la scène musicale avec Time for Africa, un album de ses titres qui est selon lui un cri fort à la prise de conscience des valeurs, des vertus et de la richesse de l'Afrique. Face à la presse ce lundi 20 janvier, Idriss Diop a fait savoir que les Africains ne doivent plus laisser les gens décider pour eux. L'Afrique aux Africains. Je pense que nos problèmes, nos richesses, nos cultures et notre avenir doivent être discutés entre Africains. On ne doit plus décider à notre place. C'est cela, Time for Africa, a laissé entendre l'artiste sénégalais au micro de Sénégal. L'auteur du célèbre titre Nobel d'ajouter devant les journalistes, il est temps qu'on éveille la conscience de nos dirigeants africains, qu'ils prennent conscience de ce qu'on en Afrique. Les Africains appartiennent aujourd'hui à l'élite. Les artistes ont la possibilité de faire véhiculer plusieurs messages à travers le monde. Revenons sur son album, Idrissa Diop confie avoir travaillé pendant trois ans sur le produit. J'ai sorti plusieurs albums sur le plan national, mais celui-ci, j'y ai travaillé pendant trois ans et demi pour aussi pouvoir le sortir sur le plan international. Cela fait dix ans que je n'ai pas sorti d'album international, a-t-il reconnu. À part le titre éponyme du dit produit, on retrouve d'autres sons comme Ali, où il rend hommage à la légende de la boxe mondiale Mohamed Ali ou Khadim, son guide spirituel Joakam, ou encore les tirailleurs. Et on poursuit avec Davido. Tension entre Davido et Chioma. Il semble que le chanteur populaire nigérien Davido doute de la paternité de son fils avec sa fiancée Chioma Avril lorsqu'il s'est excusé publiquement auprès de la journaliste Kemi Olonleyo pour lui avoir proféré des mots déplacés dans le passé et n'avoir pas cru ses révélations avec une relation extra-conjugale présumée entre un certain Peruzzi et Shioma. Attention, lors d'un clash avec l'ancien producteur du nouveau protégé de Davido, Peruzzi qui a été toujours considéré comme le cousin de Shioma et, même celui qui a présenté cette dernière à Davido, Shioma a été critiquée après avoir été accusée d'être la copine de Peruzzi et non sa cousine, comme ils l'ont tous les deux toujours prétendu. Et par conséquent, Davido doute désormais d'être le père biologique du fils de Gioma, Oetensi. LH Keita rend hommage à sa vendeuse de petit déjeuner à révélé le site Sénégal. Le best Clip, qui na rek mu def ko clip qu'à naka mooy LH Keita nga qu'à moi lam-laameewul nag mën woyam def na nag clip boo xamante ne kina ci ab qu'à moi nag la ko def bin faala bu ma mayonnaise bi jegee waaw clip ba nag moom mu def ko ca wetu géej ga rek invité ci nag ay comédien waaye ki nga xam ne nag moom la ñu ci gis muy Viviane Chidita mu nekk nag clip boo xamante ne ni mu ngi ci rendre hommage nag bépp jigéen boo xamante ne nii rek ñeme ngaa daan sa doole sa te loo am na la lew moom mii moo def lu ni mel di El Hadj Keita clip ba ngóog bin Ancienne revue de presse, tu folles, Malin Dijordik Dadier, Soubeur. Et qui rire pour vivre en Chidite? Vinfat, mais vinfat! S'il te plaît. Merci.